forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, comme vous le savez, c'est notre émission hebdomadaire avec euh, nos confrères euh, de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la presse de cette semaine, distribution, opération de distribution et de retrait des cartes d'électeurs en vue des échéances électorales prochaines entamées au Niger depuis quelques jours. Les retraits se déroulent chez les chefs coutumiers des différentes localités. Et puis validation et rejet des dossiers de candidature aux élections locales et présidentielles par les différentes instances chargées de leur examen. Pour le présidentiel, l'on note le rejet de la candidature de Hamamadou, candidat du parti moderne Faloumana, principal parti de l'opposition. Sur le plan sanitaire, nous évoquerons ces retours de la maladie de coronavirus avec de plus en plus de cas confirmés positifs. Le ministère de la Santé publique rappelle aux populations l'importance du respect des gestes barrières et annonce en même temps l'entrée en vigueur à partir de ce vendredi 20 novembre de nouvelles mesures au niveau des arrivées aéroportières. Enfin, nous terminerons avec un sujet sécurité qui nous conduit dans le département de Wallam où depuis quelques temps nous apprenons que des éleveurs de certains villages sont sommés des payer de la zakat à des groupes armés non étatiques. Pour discuter et analyser de tous ces sujets, nous avons invité nos confrères Maimouna Diado, journaliste indépendante. Euh, Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons en ligne avec nous Ousseini Issa. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalango de ce vendredi 20 novembre 2020. Le premier sujet du forum de la presse de ce soir concerne la poursuite du processus électoral en cours au Niger. Il s'agit notamment de la validation ou du rejet des dossiers de candidature aux différents scrutins par les instances chargées de les examiner. Ainsi, à moins d'un mois des élections locales, les dossiers de candidature aux élections locales ont été tous examinés. À DIFA, par exemple, beaucoup de dossiers, beaucoup de dossiers ont été rejetés pour non-respect soit du quota, soit de l'âge minimum des candidats ou encore pour des casiers judiciaires hors de délai. Selon Maman Rabiou, président du tribunal de Difa dans des propos recueillis par notre correspondant Lawan Boukar. Alors je commence avec euh, vous, Hussein Comment comprendre toutes ces insuffisances euh, dans les dossiers de candidature euh, aux élections locales, des insuffisances qui ont d'ailleurs valu le rejet des dix dossiers oh, merci. vous savez, ça pose le problème véritablement de, du même de ceux qui sont censés aider les candidats à constituer les dossiers. Et je me dis que c'est au niveau des partis politiques que le problème se pose. Les règles de jeu sont très claires. Vous savez bien quels sont les pièces à verser dans le dossier. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des élections locales. D'accord Depuis 2011, il n'y a pas eu d'élection locale encore. Mais ce n'est pas pour autant parce qu'il n'y a pas eu, comme avait dit, de modifications notoires par rapport à la constitution des dossiers. Maintenant, quand les gens mettent la légèreté pour monter ces dossiers, la question du quota, tout le monde le sait. Les partis politiques sont censés le savoir. Ils doivent respecter les dispositions de la loi. Maintenant, s'il y a un laxisme, en pensant qu'on peut faire passer un dossier comme ça, on sait bien comment les choses se passent. Tant que le dossier n'est pas, en tout cas, n'est pas conforme à ce qui est prévu par la loi, systématiquement, c'est toute la circonscription qui tombe. C'est-à-dire, c'est pas seulement à cause d'une seule zone, mais c'est toute la circonscription qui tombe. Et je dis à partir de ce moment, j'ai trouvé que c'est une bonne idée de faire comprendre cela aux parti politiques. Mais malheureusement, jusqu'ici, ça continue encore. On prend les choses à la légère. On pense que, bon, on peut faire passer ceci, on peut faire passer cela. Ça ne marche pas. Pour vous, pour vous, il y a, une certaine, une certaine légèreté avec laquelle les gens. Bien évidemment, bien évidemment, parce que vous sortez d'une élection, vous devez déjà commencer à, à réunir. En tout cas, ceux qui sont ambitieux au niveau du parti, ceux qui sont encore ambitieux à réunir, déjà, on connaît un peu ce qu'est la composition des dossiers. On doit commencer, et quand ça s'approche, on fait l'effort, on met même un comité en place pour pouvoir aider les gens qui ne comprennent pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé à l'école pour comprendre les choses, mais on met un comité en place pour aider ceux-là qui ne sont pas allés à l'école jusqu'à un certain niveau, pour pouvoir réunir les tests et les aider aussi financièrement pour qu'ils puissent établir ces tests là manquants. Maintenant, pour ce qui est du quota, c'est clair. Tant que <laughs> le quota n'est pas respecté, les fonds ne sont pas respectés, bien évidemment, les dossiers sont rejetés systématiquement en bloc. En 2011 déjà, on a connu ça. C'est crois en 2016 aussi, il y a eu des cas. Mais pourquoi les gens vont se laisser surprendre ou du moins tomber dans ce genre de situation alors qu'ils sont censés connaître quand même ça, au niveau des partis politiques, j'ai dit, mais quand même, il y a des, des responsables pour charger. Ça, donc, nous avons compris que pour vous, en tout cas, vous, vous pensez que vous trouvez que c'est. Euh, les gens n'ont pas pris au sérieux, en tout cas, la, constitution euh, de leur dossier. Euh, voilà, c'est la raison pour laquelle il y a eu ces rejets. Nous, nous allons revenir au studio, au Saini. Nous revenons bientôt avec vous. Maimouna Diado, alors est-ce que vous partagez le point de vue de Hussein qui pense que euh, la question a été traitée par certains candidats avec légèreté, raison pour laquelle ils sont, en ont arrivé là Je suis entièrement d'accord, et je suis d'avis avec euh, parce parce qu'il y a eu de l'impréparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du sérieux dans la préparation est-ce que le temps n'a pas joué aussi Il euh, n'y a pas eu une question de temps Ils ont eu tout le temps. Euh, ils, ont eu, euh? ils ont eu tout le temps pour pouvoir préparer parce qu'ils savent que de toutes les manières, il y aura des élections, les élections locales. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu tout le temps pour pouvoir préparer les dossiers de ces candidats à ces élections locales quand même. Donc, je ne pourrais pas être d'accord sur le fait que c'est le temps qui a fait en sorte que ces dossiers ne sont pas préparés. Non. Mm. Je ne suis pas d'accord. Mm. Mais je dis tout simplement qu'il y a eu de la légèreté. Il y a eu également euh, une insuffisance peut-être de ceux qui devraient euh, préparer, les former, les cadrer, les, encadrer, les former pour pouvoir arriver à un résultat, un bon résultat. Mm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui aller en, déposer des dossiers quand on sait que parmi ces dossiers que vous allez déposer, il y a au moins le casier judiciaire qui n'est pas respecté, ou bien tout simplement le quota qui n'est pas respecté. Le quota, de toutes les manières, tout le monde sait que... Des exemples de casiers judiciaires, par exemple, qui datent de plus d'un an ont été, cités. Mais, mais c'est ça, parce que le casier judiciaire, on dit de faire un casier judiciaire datant de trois mois. Et tu as un casier judiciaire d'un an. Mais comment est-ce que tu veux que ta candidature soit validée ça ne peut pas être validé. Alors, Garé Amadou, quel est votre point de vue à ce, à ce sujet Est-ce que, euh, comme l'a évoqué Maïmouna et Hussein Issa, quelque part, le problème ne se situe pas au niveau, euh, au niveau de, de, de, de, l'encadrement de certaines, certains candidats Parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui, est, euh, qui, est, en tout cas, qui a un niveau suffisant pour connaître tout, oui, des dossiers. Oui, c'est-à-dire que ce que Hussein dit et eh, Memouna, c'est vraiment vrai. Les partis politiques n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, la politique, c'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. Si tu décides de rentrer en politique, tu dois être sérieux. Et là, on dénote un certain manque de sérieux de la part des partis politiques, apparemment qui ont mis en place des comités, parce qu'il y a des comités qui devaient encadrer ceux qui doivent déposer les candidatures. Mm. C'est l'incompétence de certains comités qui, sort au grand jour. Parce que c'est vrai qu'après tout, ces candidats, ces candidats sont aussi euh, membres de partis politiques. Mais attends, quand on met en place, sont censés les, mais, former. Mais bien sûr, quand on met en place un comité, en principe, ce comité-là, c'est un comité aguerri qui sait que euh, les pièces, les, pièces, euh, comme on appelle l'occasion du judiciaire, et doit dater de moins de trois mois. Mm. C'est Pour être valable. Même à l'école primaire, on le sait. Mm. tu dois savoir quand même qu'il y a un quota, que les textes électifs. Donc ce comité-là que tu mets en place, ce sont des gens qui sont imbus de ces choses-là et qui savent qu'il y a un certain quota qu'il faut respecter. Donc quand vous établissez une liste, vous essayez, de vous conformer avec cette. Mais non, mm. on fait des trucs à la légère. Jusqu'à. Parce que moi, ce qui me choque, c'est déposer un dossier avec un casier judiciaire qui date de un an. Mais comment vous pouvez expliquer ça Mais attends, ça, c'est pas de la moquerie pour les, les militants. Non, c'est de la moquerie. Vous vous moquez des militants. Et, vous avez celui-là qui a amené eh, son dossier avec un, casier judiciaire. Vous, le comité qui doit, qui doit regarder. Vous avez vu bien que il n'y a pas de casier judiciaire. N'est-ce pas Vous avez bien vu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre les bouchées doubles pour qu'il puisse avoir son casier. S'il n'y a pas de casier là, c'est même pas la peine de le mettre dans la liste. on avait pas parlé d'impréparation. Euh, l'impréparation. Les élections, c'est chaque 5 ans. attends, chaque 5 ans. Et tu décides de faire de la politique et tu sais qu'il y aura des élections puisqu'il y a un calendrier qui a été établi. Tu te prépares. En mais, conséquence. Mais ce qui est choquant en plus, le détail le plus choquant, c'est que des grandes formations politiques ont vu le liste dans certains endroits. Quand je parle de grandes formations, je parle du PNDS, je parle de Lobana, je parle du MNCD. Parle... Mais comment vous pouvez comprendre ça alors, Gare, nous allons poursuivre dans le même ordre d'idées et de son côté, pour parler toujours des rejets et des validations, de son côté, la Cour constitutionnelle a rendu public le 13 novembre dernier son arrêt sur l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles de décembre prochain. Ainsi, sur 41 euh, candidatures, la Cour en a validé 30 et rejeté 11 les candidatures qui focalisent surtout euh, l'attention des citoyens sont celles de Hamamadou, euh, qui est du Modern Faloumana, principal parti de l'opposition, et de Bazoum Mohamed du PNDS Tareya, parti au pouvoir. Donc, on a vu que la candidature de Amadou a été invalidée, celle de Bazoum Mohamed a été validée. Est-ce que finalement, c'est le scénario qui était attendu ou bien euh, vous êtes Est-ce que vous, particulièrement, vous êtes surpris de. de... non, je ne suis pas surpris. Je l'ai toujours dit. C'est pas Facebook qui fait les élections. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Non, les réseaux sociaux ne font pas les élections. C'est-à-dire que <laughs> dans le mécanisme institutionnel, il y a des institutions qui sont chargées d'organiser les élections, des institutions qui sont chargées de valider les, les candidatures. Donc c'est elles. Tout le bruit que vous voyez sur Facebook là, ce n'est que du bruit. C'est quoi le bruit Le bruit, qui est, ça fait, est on Facebook euh, que Bazou n'est pas nigérien, Hamon ne sera pas, Hamon a fait opposition, blablabla, blablabla bla, bla, Tout ça, c'est des supputations inutiles. C'est pas ça qui fait les élections. tout, donc, c'est les textes. Mais vous savez, il y a deux, mais c'est les textes et les gens se basent sur, mm. la Cour constitutionnelle. <laughs> Elle va pas se baser sur Facebook pour, porter un jugement. Non! La Cour constitutionnelle se base sur tout ce que les textes lui disent et sur les, documents qu'elle a. Mm. C'est pas Facebook qui va, qui va guider. Donc vous, vous n'êtes pas du tout surpris. Hein je vais vous dire ce qui m'a surpris. Ce n'est même pas ça. C'est pas ça. Ce qui m'a surpris, ce sont des gens qui ont fait des congrès d'investiture, qui ont déposé des candidatures à la présidentielle et qui sont venus sans caution. Non, C'est un autre débat, non, pas, on est en train de parler, non, on est en train de parler des listes les, plus de 10 personnes dont, les listes, dont la, candidature a été invalidée pour mm. non-paiement de la caution de 25 millions. Mais si vous savez que vous n'avez pas la caution, n'entraînez pas les gens dans une aventure où les gens vont croire que vous êtes, vous êtes sérieux, alors que mais apparemment c'est pas du sérieux. On se rend compte que non, vous êtes parti jusqu'à partir à, au niveau du ministère de l'Intérieur, déposer le dossier et, peut-être que il y bah, en a qui, ont, qui, avaient gardé l'espoir jusqu'à la veille qu'ils allaient pouvoir remplir ce devoir de, de, paiement du coup, de la caution. de l'Intérieur ne fait pas crédit. Si tu veux être président, il faut montrer que tu veux être président. Il n'y a pas de crédit à faire. Il n'y a pas de genre. Non, non, mais attends. C'est-à-dire. Nous, allons demander à Ousseini aussi ce qu'il en pense. <laughs> Ousseini, vous êtes avec nous Oui, bien sûr, je suis avec Est-ce que vous êtes surpris finalement de, de ce scénario auquel nous, nous assistons sur 41 candidatures, 30 ont été validées, 11 rejetées et entre autres pour non-paiement de, de la caution. Je ne suis pas surpris du rejeter. Comme on le sait, les cas qui était focalisé, les deux cas qui étaient focalisés, c'était le cas Hamma et puis, comment le dire, et, candidat du PNDS, Hamma, candidat du parti Modeste Salomana. C'est les deux cas qui étaient, comment dire, il y a un cas qui focalisait l'attention parce que les autres candidats qui ont été rejetés, il y a beaucoup que les jeunes ne connaissaient même pas. Et là, concernant cette histoire de caution, quand vous êtes conscient que vous allez payer 25 millions, vous allez déposer 25 millions de caution, mais si vous n'avez pas ces 25 millions-là, pourquoi vous allez déposer un dossier pour dire que vous allez être là Ça n'a aucun sens, c'est de la blague, c'est de la blague. À partir du moment où vous n'avez pas contesté en amont le, montant là, ça veut dire que vous l'avez. Maintenant, si vous n'arrivez pas à justifier, s'il n'y a pas de fichiers qui prouvent que vous avez, Maintenant, concernant les deux cas, Ama et Bazoum, le problème qu'il a poursuivi, ou le problème, au moment où même, euh, comme a la Cour constitutionnelle a validé les candidatures, c'était son, sa, nationalité. Le problème, je crois, a été aujourd'hui débattu à Difa, euh, à Difa, oui, à Difa au niveau de, la justice. Amma, bon, tout le monde se disait qu'il n'est pas tellement évident tout le monde le savait, et moi je ne suis pas surpris qu'arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, Et la Cour constitutionnelle réserve son dossier. Ça, je ne fais pas d'illusion, je m'attendais autre mesure à cela. Alors, Ousseini, comment entrevoyez-vous à ces scrutins qui s'annoncent hein, prochainement, très prochainement, euh, sans ce, euh, en tout cas sans le candidat de, de ce parti, le Modern Falumana ah, Je ne peux pas entrevoir, pas entrevoir. Dans tous les cas, il a eu à dire que tant qu'il n'est pas candidat, celui qui va l'empêcher aussi ne sera pas candidat. Maintenant, depuis pratiquement la semaine dernière, vendredi, je crois, en fin de semaine dernière, Et là, comment on dire, on a annoncé la liste, on a publié la liste des candidats autorisés à se présenter, à se présenter aux élections présentées. On n'a pas encore de réaction officielle, ni des certains, ni des, militants. On attend pas. voir. Parce que on, attend voir. Pendant ce temps. ce qui va se passer, comment ça va se passer et par quel mécanisme ça va se passer. nous revenons, nous revenons au studio Ousseini avec Maimouna Diado. Maimouna, euh, vous avez suivi aussi ces, ces, validations et ces régés de candidatures des uns et des autres au niveau des élections locales, au niveau des élections présidentielles quelle est euh, votre, votre analyse, votre commentaire autour de, de, ce sujet Bon, ce que je pourrais dire par rapport donc au rejet, d'abord globalement des candidatures euh, au niveau de l'élection présidentielle, c'est qu'il fallait s'attendre que certains candidats, en fait, c'est qui se sont prononcés à travers des congrès, ils ont berné leurs militants pour dire qu'ils seront candidats. Ils ont, déposé, ils ont déposé jusqu'à hauteur de 44 candidats. 41, candidatures, candidatures, élections il fallait s'attendre que parmi les 41 candidatures, euh, que tous ces candidats euh, ne peuvent pas passer quand même. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas les moyens financiers. On savait déjà qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour pouvoir déposer 25 millions. Et quand tu regardes quelqu'un qui va déposer 25 millions et qui sait qu'il n'aura même pas 1% aux élections présidentielles, mais est-ce qu'il aura le courage d'aller déposer les 25 millions parce qu'après, euh, des remboursements sont prévus en fonction de certains pourcentages. Mais il ne faut même pas regarder les 25 millions que le candidat va déposer. Il faut regarder les dépenses qui seront faites parce qu'ils iront euh, en campagne électorale. Et ça aussi, c'est des coûts. Et pour ce qui est peut-être de la candidature de Hamamadou, euh, candidat du Modern Falomana, qui a été rejeté, là, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que le candidat lui-même savait déjà que sa candidature ne pourra pas passer au niveau donc de la Cour constitutionnelle. Parce qu'entre-temps, ces avocats, ils avaient cru, parce quentre temps, on a vu quand même que ces avocats ont fait une opposition à, son jugement. Ils ont aussi euh, envoyé une requête au niveau de la Cour d'appel pour justement euh, pour rectifier son casier judiciaire. Mais, mais finalement, est-ce que euh, toi, en tant que tel, tu es sûr que tu étais sûr que la candidature allait passer moi, je n'ai pas de point de vue ah à bah <laughs> Mais dans, ce cas, c'est pour ça que je dis que les gens s'attendaient. Il y a ceux qui croyaient parce que ils ont été, euh, ils ont euh, durant plus de deux ans, ils ont été alimentés en information sur le fait que la candidature de Hama va passer au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des chances qu'il soit candidat. Il y a ceux qui ont dit qu'ils n'ont même pas apporté le sens de chance. Ils l'ont dit qui sera candidat. qui sera candidat. Mais finalement, ceux-là, ils ne peuvent que croire ce que eux ils voient devant eux. mais c'est les textes. les textes comme l'a dit Gary. Donc maintenant, c'est la Cour constitutionnelle on on sait que c'est l'un des, en tout cas, c'est le principal pour le moment, c'est le principal parti de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler de, de processus électoral inclusif et euh, apaisé quand euh, ce parti est écarté de la course Je pense que euh, en tant que candidat de l'opposition principale, comme vous dites, parti mm. de l'opposition, mm. il y a déjà Cap 20-21 qui est là. Donc, cette organisation qui regroupe tous les partis politiques organisation, Les partis politiques se valent aussi au niveau donc à la recherche donc de l'électorat. je me dis que en fait, maintenant, peut-être la seule chose qu'il faut essayer de voir à leur niveau, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont faire, s'unir, unir leurs forces pour pouvoir peut-être amener un des candidats au niveau donc euh, de l'opposition pour que ce candidat soit <laughs> le candidat que tout le monde peut-être peut attendre. Gare c'est l'alternative peut-être qui s'offrait à l'opposition Mais ils n'ont aucun choix. Et d'ailleurs, moi je peux dire que déjà la, base est ratée. Parce que, à mon entendement, la, CAP 21, au vu des conditions dans lesquelles se trouve le dossier le cas de Hamadou, parce que il faut pas se, faire des illusions. Il faut pas, il faut pas faire comme si on est scandalisé ou comme si on est surpris. Non, euh, l'invalidation de la candidature de Hamon n'est pas une surprise. Était prévisible. Alors nous allons, oui. Ce que je veux dire, pour qu'on continue. Pour qu'on continue, ce que je veux dire, c'est que en fait, sa candidature est invalidée, mais j'ai dit l'opposition a raté un coach parce que l'opposition pouvait s'unir au vu de la situation du cas de Hamon. Autour d'une candidature unique. D'une candidature unique. Mais vous savez, les oppositions africaines là, mm. c'est ça leur problème. Les gens sont ensemble, mais ils ne s'aiment pas et il y a les intérêts égoïstes. Chacun veut être le, roi. Au sein même de cette CAP 21-là, les gens sont ensemble, mais ils ne s'aiment pas. Bien. Chacun a des ambitions. Bien, bien, Nous allons continuer, nous allons continuer, mais Nous continuons sur le deuxième sujet de ce forum. Euh, début, je le disais, des opérations de distribution et de retrait des cartes d'électeurs en vue des échéances électorales prochaines. Les retraits des cartes d'électeurs se déroulent chez les chefs de village ou de quartier, en tout cas des localités, des différentes localités du Niger. Les opérations se poursuivront jusqu'au 7 décembre, a souligné la Commission électorale nationale indépendante CENI. Alors, Hussein Issa, à propos de ces, de ces cartes d'électeurs, un débat est actuellement en cours et porte sur la nature donc, de ces cartes d'électeurs. La CENI parle de cartes d'électeurs sécurisées et non de cartes d'électeurs biométriques comme prévu par l'article 56 du Code électoral. Par certains acteurs politiques. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou bien c'est tout à fait anodin bon, Moi, je considère que de, par la carte qui m'a été attribuée, je dis, bon, avec cette carte-là, je ne vois pas en quoi même est sérieux, je ne vois pas en quoi, c'est pas biométrique d'abord, parce que pour faire des élections biométriques, il faut avoir des appareils qui permettent à l'électeur, quand il va voter, c'est l'appareil qui va identifier toutes les coordonnées. Mais les cartes qui sont en train de distribuer, on dit c'est les cartes C'est Sécurisées par rapport à quoi C'est parce que juste, peut-être, il y a la photo, mais c'est pas évident. Tu peux prendre un coup de vue. Si tu prends un coup il y a aussi l'empreinte digitale, hein Il y a l'empreinte digitale, Mais ah, comment on peut vérifier que c'est son empreinte, empreintes digitales Comment on peut les vérifier Tu peux les vérifier. À comme ça, quelqu'un va venir s'asseoir, un On dit, c'est un tel. Les machines, normalement. Mais, mais alors, est-ce qu'il y a des machines Venez, on prend, comment dire, le listing, on regarde, on voit, est-ce qu'il y a votre nom, est-ce que c'est votre photo, est-ce qu'il y a une ressemblance C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sécurisé, il y a une de biométrie là. On a dit, sous les des les gens sont allés prendre, les gens vont aller voter le jour du vote les gens cela n'entache pas la transparence, euh, la transparence du processus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te, plaît, quelle transparence Qui cherche transparence dans ce pays-là Est-ce que les gens se soucient de la transparence Je te fais juste le parallèle. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis là récemment. Est-ce qu'il y a la transparence là-bas Oui. Alors, il y a la États-Unis et Niger, il y a. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, attends, mais ils ont mis combien de chèques pour se développer Est-ce que nous, nous avons les mêmes connaissances aujourd'hui à peu près. Est-ce qu'on a besoin de mettre tout ce qu'ils ont mis à cette étape, ces étapes-là là Pour résumer, ah, donc vous, vous avez quand même, vous, vous gardez vos, vous, vous, vous avez des réserves par rapport à cette carte d'électeur. Moi, moi, je dis, je dis, hein, simplement, c'est un peu plastifié, ceci. Bien, nous revenons au studio avec Gary Amadou. Gary, donc euh, je disais que euh, il y a ces cartes d'électeurs qui ont commencé à être distribuées, mais déjà il y a cette polémique autour euh, de la <coughs> de la nature de, ces cartes, qui euh, en tout cas étaient prévues dans le code électoral comme des cartes euh, électorales biométriques, mais depuis un certain moment on parle de cartes sécurisées. Oui, on parle, on parle parce que bon, moi je ne suis pas un La CENI. La CENI, oui. Les, cartes sont, en tout cas, les cartes que j'ai vues, ce sont des cartes sécurisées. Concernant le fait pas biométrique oui, mais la biométrie, ça, coûte extrêmement cher selon les explications. Bon, je ne sais pas si c'est biométrique ou pas. Hein. Hmm. Moi, je n'aime pas rentrer dans cette polémique-là, je ne suis pas un technicien. Parce que je vous dis, quand on se... Facebook et, WhatsApp, là, ils vont vous polluer la, tête tellement que vous allez vous, allez vous embrouiller. Les gens se font des spécialistes de la question alors qu'ils maîtriseraient rien du tout. J'ai dit, moi je ne suis pas un technicien, sais, mais je sais que tout ce que je sais, c'est qu'une carte qui contient votre photo, votre signature, l'empreinte digitale, et avec la machine au niveau du bureau de vote sur laquelle la carte peut être mise, vous pouvez voter qu'une seule fois. J'ai dit que vraiment, c'est n'est pas l'idéal, mais ça va vraiment. C'est différent des élections passées où on vient, tu viens avec ta carte d'identité, tu, présentes. Et d'ailleurs, même pour, pour, la confection de la carte d'électeur, lors de la prise de photo, si vous avez un bonnet, oubliez de lever le bonnet. Hein. C'est clair. Et ah même ça, c'est normalement, normalement pour toute identification, on ne doit pas porter ni foulard, ni. Euh, Mais en fait, le gars qui a, le gars qui de distribuer les cartes, chez qui Hussein s'est adressé, et quelqu'un qui ne comprenait peut-être pas que c'est pas comme ça que. Il n'avait même pas besoin de demander s'il avait un bonnet, parce que si vous avez un bonnet, on, doit présenter peut-être des certains. On voulait dit le bonnet, on prend la photo, c'est mm. comme ça qu'ils font. Mm. Donc lui, il ne savait peut-être pas. Mm. Mais je pense que eh, cette élection-là, elle sera différente des autres élections parce que on aura un homme, une voix. Ça, c'est ça la particularité. C'est-à-dire que toutes les tricheries qu'on a vues par le passé, de, la part de, à cause de, ce caractère. Bien sûr, bien sûr, de l'empreinte digitale et tout, tout, tout. Toutes les vous, avez confiance. Ah non, j'ai confiance. Toutes les tricheries qu'on a vues par le passé, de la part de pratiquement toutes les formations politiques, elles trichent dans leur zone. Hein. Mm. Elles trichent. Eh bien, ces tricheries-là, elles vont cesser. Bien. Euh, Maimouna Diado, quel est votre, votre est-ce que vous partagez finalement on a en tout cas des points de vue ou c'est qui a encore des réserves par rapport à cette carte euh, sécurisé mhm. et euh, Garé qui, qui, qui est confiant quant à cette nature de la carte où on a pratiquement, en tout cas, un certain nombre d'identifiants de la personne. Je vais d'abord parler de la distribution des cartes d'abord. Parce que dans certains centres, il y a des bousculades qui se font. Euh, les gens font trois jours sans, pour, pour, pour avoir la carte. Alors que quand on regarde, en principe, euh, quand vous vous êtes enrôlé, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est en récupérant la carte, ça ne devrait pas poser de problème. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement aujourd'hui, il faut appeler les Nigériens à aller doucement dans la recherche de leur carte. C'est pas la peine de se bousculer. C'est pas la peine de. Oui, parce que j'ai entendu, il y a d'autres qui disent qu'ils ont fait à peu près trois jours aller-retour, aller-retour. Ils n'arrivent pas à avoir la carte. Donc, moi, je me dis que il faut que la CENI essaie euh, de revisiter les centres pour de distribution, pour voir comment les choses se passent. Maintenant, est-ce que je suis rassuré euh, par la carte, euh, les élections à venir Je me dis que il faut d'abord laisser les élections se passer pour voir mhm. est-ce qu'on est rassuré vous, ou pas. Vous, vous, souhaitez attendre de voir je, avant, préfère attendre de, voir. La prudence est encore mieux. Je ne veux pas, en tout cas, euh, m'avancer sur cette question. Je préfère, de toutes les manières, les élections auront lieu en décembre, plaise à Dieu. Mhm. Et nous aurons l'occasion de voir, d'en discuter, de voir mhm. comment les choses se sont véritablement passé. D'accord, Maimouna. Donc nous, nous allons euh, entamer le troisième sujet de ce forum. Il est relatif à la maladie du coronavirus, je le disais. Vous le savez, de plus en plus de cas confirmés positifs euh, au Covid-19 sont enregistrés au Niger, faisant craindre une recrudescence donc, de la maladie. En conséquence, le ministère de la Santé publique a rappelé donc, aux populations l'importance du respect des gestes barrières et a annoncé dans la même foulée l'entrée en vigueur de ce vendredi 20 novembre 2020 de nouvelles mesures au niveau des aéroports. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de l'allocution du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr. Euh, Ranao sur les nouvelles mesures. Compte tenu de la situation, de nouvelles mesures concernant les voyageurs rentrant au Niger par voie aérienne seront appliquées à partir du 20 novembre, à savoir 1. Si le test COVID-PCR est négatif, le voyageur est soumis à l'auto-isolement obligatoire à domicile pendant 7 jours, avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et le recours aux services de santé le plus proche aux besoins. Le passeport du voyageur sera retenu par la police jusqu'au contrôle au 7e jour. Le passeport lui sera restitué après présentation présentation du résultat des tests Covid négatifs. Chaque voyageur autoconfiné sera soumis au septième jour à un test Covid-19. Si le test est positif, il sera pris en charge conformément au protocole national. Si le test est négatif, il sera mis fin à l'autoconfinement et vaquera à ses occupations. Des équipes de la riposte passeront régulièrement pour évaluer les paramètres de surveillance et surtout de l'effectivité du respect des mesures préconisées. Voilà, vous venez de suivre là docteur Rana Wabaché, secrétaire général du ministère de la Santé publique sur les nouvelles mesures qui entrent en vigueur à partir de ce vendredi 20 euh, novembre 2020. Hussein Issa, qu'en pensez-vous de ces mesures annoncées et de la recrudescence d'ailleurs des cas de contamination au Covid-19 ici au Niger Hussein, vous êtes avec nous Nous allons revenir en studio le temps de recontacter Hussein Issa. Alors, Gary Amadou, Qu'en pensez-vous de, ces nouvelles mesures au niveau des aéroports Oui, c'est-à-dire que quand on suit le propos du, SG, du secrétaire général du ministère de la Santé, on se dit que peut-être que les cas-là qu'on a eu, ce sont des cas de voyageurs qui ont passé par l'aéroport de Niamey. C'est ce que ça sous-entend. Des cas importés. Oui, des cas importés. Et moi, ça m'étonne parce que moi, j'étais récemment euh, de voyage et je me rends compte que les mesures, d'abord, avant de quitter le pays dans lequel vous êtes, il y a un test que vous faites. Et ce test-là, c'est comme vous le faites et vous avez le résultat la veille de votre départ du voyage. Et comme ça, une fois à destination, vous le présentez aussi. Voilà. Et donc, quand vous, voyez, quand vous venez même au niveau de l'aéroport de Niamey, il y a, y, y a, une fiche qu'on vous donne pour remplir. D'abord, vous présentez la fiche, le, le, le, résultat du test que vous avez fait dans le pays dans lequel vous venez. Hmm. On vous, montre montrez ça, on voit que c'est négatif, vous, fait, on vous donne une fiche, pour voir, on vous demande si vous avez contacté, si vous avez été en contact avec quelqu'un déjà qui a été eh, infecté par le Covid, etc., etc., Vous mettez ça. Bon, peut-être que c'est à ce niveau que certains mentent. Est-ce que vous comprenez Il y a peut-être des voyageurs qui ont été en contact avec des personnes qui ont, le COVID, qui ont, eu la Covid-19, mais qui, lors de leur remplissage de la fiche, ils mentent. Oui, parce que bon, alors <laughs> mais même si, même, si, mais même s'ils mentent, normalement, euh, s'ils ont à leur possession le, test négatif de 112 heures. Qui, oui, mais le, test, si vous, avez un test de 112 heures la veille de votre départ, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a le Covid. Le matin. Euh, au cours du voyage. le matin, on vous a donné le résultat du Covid négatif. Mais vous avez fait le test la veille le test le résultat fait 24 heures avant de venir. Donc, du coup, c'est cette défaillance-là qui est apparemment. Mais, parce que, entre je temps. dirais pas défaillance, mais c'est cet aspect qui que les autorités veulent prendre en charge parce, que... maintenant, on dit désormais, mhm. quand vous venez, donc, vous, on garde votre passeport, euh, vous faites le, euh, vous, vous êtes, euh, vous, vous autoconfinez pendant une semaine. Voilà, Vous refaites le, parce que, test, ensuite, parce on que vous restitue. parce que je vous dis, hmm. vous faites le test ce matin, n'est-ce pas? On vous fait le prélèvement mais ceux qui font le prélèvement, ils quittent. Ils vont vous ramener le résultat demain. Mais entre-temps, tu sors, tu vas au marché. <laughs> Est-ce que tu comprends mm. Tu rencontres des gens. Alors, mais... Et le lendemain, le résultat vient, le résultat vient c'est négatif. Mm. C'est négatif par rapport au moment où on t'a fait le, prélèvement. Et tu voyages avec ça, tu vas à l'aéroport. Et quand tu vas à l'aéroport, on ne te fait pas un prélèvement. On se fie à présent le document. Et donc, voilà, c'est mm. ça le problème auquel les autorités sanitaires sont confrontées. mais quand même, jusqu'à présent, je pense, jusqu'à preuve du contraire, euh, on n'a pas une explication précise par rapport à ces nouveaux cas. Est-ce que effectivement c'est des gens qui sont rentrés récemment par voie aérienne ou par voie écoutez, si on suit, il faut suivre ce que le, secrétaire général du ministère de la Santé dit. Mm. Il n'a pas dit on va mettre un système de contrôle au niveau des frontières. Mm pour les gens qui, les voyageurs qui rentrent. Il a dit au niveau de l'aéroport de Niamey. Ça veut dire que c'est le cas de voyageurs qui ont passé par l'aéroport de Niamey, donc qui sont venus par avion. Hmm. C'est simple, c'est ce qu'on comprend quand on, suit son, quand on suit son message. Mais ça reste toujours une interprétation. Mais ça reste une interprétation. Mais moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Hmm. cest Cécile dit qu'à l'aéroport, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je comprends immédiatement que les nouveaux cas là, ce sont des cas de voyageurs qui ont transité par l'aéroport. Donc, du coup, du coup, il faut endurcir les, mesures de bien vigilance. Bien sûr, bien mm. sûr. Maïmouna rapidement, qu'est-ce que vous, vous en pensez Moi, je pense que si ça peut éviter la propagation donc, euh, euh, de la COVID-19 euh, au Niger, mais les mesures sont à saluer. Et ah maintenant, mais maintenant, il faut essayer également de faire une sensibilisation autour de ça. Parce que euh, un seul point de presse ne peut pas, en tout cas, euh, avoir un impact sur la population. Donc, euh, c'est également d'aller vers vraiment la, sensibilisation à travers les canaux de communication pour que ceux qui voyagent savent à quoi s'attendre et, et, et, et, faire comprendre également parce que je n'ai pas entendu parler de coûts. Est-ce que combien ça, ça, ça, doit coûter. Oui, oui, ça, ça, ça, va coûter. Oui, combien ça va coûter On doit encore payer ou c'est l'État qui prend Voilà. Est-ce que oui, c'est ça. Il y a des ah, précisions qui oui, c'est des précisions ah, qui sont très importantes. Mais, moi, on ne doit pas m'obliger à payer. Euh, voilà. Je suis revenu j'ai fait le test avant de voyager. Je suis euh, revenu. J'ai présenté un test. on considère qu'on n'a pas euh, confiance en moi. Mais l'État prend en charge mon test. Voilà, c'est clair. Il faut préciser dans ce son que dans l'élément que nous avons écouté, c'est que en tout cas, en cas de, résultat positif, mm. c'est que la personne est prise en charge, la prise en charge médicale. mais je crois bien que ça n'a pas été explicité. il faut qu'on explique ça. Moi, je peux comprendre quand je vois je fais le test, je paye. Mais quand je reviens et qu'on considère qu'on n'a pas confiance en moi, on veut me faire un test. <laughs> L'État doit mettre la main dans la poche. Alors, nous, avons, nous, avons nous avons recontacté Hussein. Hussein, vous êtes là? Donc, Hussein, nous disons qu'il euh, y a eu des nouvelles mesures sont euh, envisagées par les autorités, notamment le ministère de la Santé, des mesures qui rentrent d'ailleurs en vigueur à partir de ce vendredi 20 novembre et qui feront en sorte que dorénavant, les voyageurs qui rentrent par voie aérienne, donc euh, puissent, qu'on puisse garder leur, passeport et que ces derniers puissent faire un, un autoconfinement d'une semaine après refaire le test avant d'avoir leur, passeport. C'est entre autres mesures. Hein. Alassane, ah, ah, Alassane, il y a une deuxième vague en Occident. Et ça fait des ravages. Tout le monde suit ça sur les médias internationaux, n'est-ce pas La maladie est là, c'est vrai. Elle est là, les Occidentaux sont carrément, ils sont désemparés, ils ne savent pas comment faire. Je suis d'accord qu'on dise que les mesures barrières, j'ai suivi un peu le Premier ministre ce matin, en tout cas la première édition de, la Voix du Sahel de ce matin, où il a dicté, un certain nombre de mesures qu'il compte mettre en œuvre, ou du moins sur lesquelles on va revenir, notamment le respect des gestes barrières. Quand j'ai constaté ce qui s'est passé au niveau des administrations publiques, on dit qu'il faut porter, respecter les gestes barrières, la barrette et tout. Mais fondamentalement, il n'y a pas que les, d'aéroports qui, qui sont, concernés ou les, frontières. Aujourd'hui, on sait un peu comment nos frontières là sont poreuses. Hein. Les gens rentrent, ils sortent comme ils veulent, sans aucun contrôle, parce qu'il y a des couloirs de passage que les gens empruntent, les fraudeurs notamment. Mais quand on voit un peu ce qui se passe aussi dans nos marchés, dans les autogares, les points de commerce, quand on voit ce qui se passe, on se dit quelque part. Est-ce que pour vous, Ousseini, l'accent doit être plutôt mis sur, euh, sur les autres voies, euh, qui, les autres éventuelles voies de contamination plutôt que simplement cette question, oui, les voies aériennes C'est ce que vous voulez dire on dit La contamination, c'est le contact. Non. Mais au niveau des aéroports aujourd'hui, partout dans le monde, quand vous n'avez pas une fiche qui ce que vous avez fait le test là, que vous ne présentez pas les signes de la maladie, on vous laisse embarquer. Vous allez partir sur votre voyage vous allez revenir et partout dans n'importe quel aéroport où vous allez aujourd'hui, vous êtes obligé de montrer, ça fait partie des pièces qu'il faut montrer avant de sortir pour aller à votre hôtel, n'est-ce pas Mais la difficulté, surtout moi je dis, où, là où il faut mettre l'accent, tant qu'il est vrai qu'il y a une deuxième vague qui est en train de, en tout de, manifester des signes, il faut surtout mettre l'accent sur un peu de lieu de manifestation Ne perdez pas de vue aussi une chose, c'est qu'on est en train de tendre vers des campagnes électorales, en tout cas vers la campagne électorale. Comment tout cela va se dérouler Il faut se poser cette question. Parce que tout simplement, les campagnes, dans les campagnes, dans les marchés, dans les, comment, les on ne demande pas aux gens. Mais monsieur, quand vous, allez du parler, il va vous dire, mais pourquoi Pourquoi Ousseini, nous, oui, nous, nous, avons moins de 4 minutes pour la fin de cette émission. Nous allons entamer la dernière partie, le dernier sujet pour finir avec vous. Euh, c'est euh, cette question, j'ai parlé tout à l'heure de sujet sécurité où dans le département de Wallam, certains villages qui y sont rattachés, on rapporte que des éleveurs sont sommés de payer de la zakat à des euh, hommes armés non étatiques. nous avons joint le maire de Tondikiwindi qui a confirmé d'ailleurs cette information. Alors, comment peut-on mettre fin à ce genre de problèmes dont sont victimes souvent certaines populations rurales Je te pose la question, ils sont venus comment Ce n'est pas à moto hein Je, n'ai pas cette information. non, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. semble t qu'ils sont arrivés à moto. Mais on a interdit la moto dans toute cette région de Tilagéry. Sachez qu'il ne s'agit pas d'attaque, il s'agit des gens qui rencontrent les, les pasteurs, qui rencontrent donc les, éleveurs dans la brousse. Ils viennent à Dodan. Je te pose la question. C'est à Dodan qu'ils viennent. Ils viennent, ils menacent, parce que tout simplement, ont des indicateurs dans les villages Comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça, Quelque part, à partir du moment où, quand les gens viennent, ils font leur raquette là. On peut créer les conditions de pouvoir les prendre. Si c'est des bandits, si c'est des bandits, comme on dit aujourd'hui, c'est la terminologie. On ne parle plus de djihadistes, on parle de bandits. Mais c'est des bandits qui peuvent être identifiables, n'est-ce pas Mais créons les conditions pour que ces gens, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas venir, mais quand ils arrivent là, qu'ils ne puissent pas s'échapper. Vous, si jamais, les, mesures à prendre, c'est de faire en sorte que si jamais des, gens de, ce genre se hasardent à, à raqueter les populations, euh, arriver jusqu'à des villages, faire des... des... Moi, Suivre, c'est de faire en sorte que ces gens ne puissent pas retourner dans leurs repères. C'est ça, Ousseini Mais justement, c'est très important, y compris les djihadistes qui traversent la frontière pour venir attaquer. On peut mettre en place des mécanismes parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Hein. Il ne faut pas perdre de vue. C'est bien possible de le faire. des les, les groupes d'autodéfense et autres qu'on va, en tout cas, renforcer ça va permettre de sécuriser les populations. Merci, merci, merci Ousseini. Merci Ousseini. Nous allons revenir euh, au studio euh, pour terminer avec euh, nos deux autres invités en studio. Maimouna Diado, qu'en pensez-vous sur les mesures à prendre pour, protéger davantage les populations D'abord, d'abord, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a duré dans la zone là, dans la région de Tilaberi ça a tellement duré où des, paisibles citoyens se font arnaquer euh, en collectant, en donnant euh, par force euh, les impôts, comme ils le disent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Maintenant, ce qu'il faut faire, parce que quand on regarde, il y a même une complicité. Il, y, a il y a des complicités de la population là-bas. Maintenant, il faut dénoncer. Et il faut dénoncer et également il faut sécuriser. Ça veut dire qu'il faut renforcer la sécurité au niveau donc de ces villages-là, au niveau de la localité de Walam et euh, peut-être essayer d'avoir plus d'informations au niveau des villageois, certainement que pour remonter jusqu'à ces bandits armés, hmm. à, ces bandits armés, parce que je suis sûr que il y a certains villageois quand même qui peuvent identifier ces, auteurs. ces auteurs et co-auteurs et complices. Gare Amadou. Ce que je dis, c'est que hein, c'est comme Hussein l'a dit, c'est-à-dire que quand l'État euh, décrète que les, motos, la circulation des motos est interdite sur son territoire dans certaines zones, elle doit se donner les moyens de pouvoir empêcher cela. Parce que apparemment, les gens vont, ils viennent comme ils veulent à moto dans les zones frontalières. Alors que cela est totalement interdit. Mais donc, j'ai dit, il problème, il y a un problème de ce côté-là. Il faut que l'État se donne les moyens de pouvoir appliquer cette mesure-là. Parce que c'est ce qui n'est pas le cas. Les gens viennent à moto, ils viennent parfois, ils font des prêches, ils, retournent à moto. Comment, comment vous pouvez comprendre ça Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faudrait déployer, des, commander des drones, les déployer ce qu'il qu'est-ce qu'il faudrait faire Vraiment, puisque les militaires, il faudrait intensifier les patrouilles. Qu'est-ce, vraiment, il y a il faut la la sécurité. doit être approfondie les et des actions doivent être entreprises. les populations aimeraient bien collaborer, mais elles aimeraient être sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, si tu dénonces, on vient, on t'égorge la nuit. Donc, il faut que vraiment mettre les conditions. Il faut que l'État soit présent dans les villages frontaliers. Merci à tous et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui euh, sur euh, cette question. Rendez-vous ce week-end sur les radios partenaires du studio Kalangu pour suivre le programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes euh, samedi et dimanche, samedi d'abord le forum à Hausa sur l'impact du Covid-19 sur le travail des agents de santé et dimanche le forum en Zarma sur l'ensablement du fleuve Merci à nos confrères qui nous ont accompagnés dans ce forum de la presse. J'ai nommé Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Maimouna Diado, journaliste indépendante, et Hussein Issa qui était en ligne avec nous, journaliste freelance. Merci aussi à notre équipe technique, à la régisson Abdulkader Chombiano, à la réalisation et au montage vidéo Mustafa Ayouba. Pour la présentation, je suis Alassane Cousin Amadou. Passez une excellente soirée. Bonsoir.